Chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Pour vous tenir compagnie aujourd'hui pendant les 60 prochaines minutes, je suis Top Draman avec moi Habiba Ahmed. Bonjour à nos amis de la régie Rahila Tsoumana à l'édition et Mustapha Yuba à la technique. Bonjour Habiba, comment ça va Très bien Ruki, et toi Ça va très bien, Dieu merci. Alors, quel est le programme d'aujourd'hui D'abord, informons nos auditeurs euh, tout ce mois que durera le ramadan. Nous, offrirons, nous leur offrirons d'autres rubriques. En effet, dans ce parti de l'émission, vous aurez des conseils pratiques sur les conduites à tenir pour bien accomplir votre jeûne. Ça sera avec des prédicateurs et spécialistes en nutrition. Ce n'est pas tout. Des recettes des recettes et astuces en cuisine et pour votre bien-être nous vous serons proposés. Mais avant, il y a d'abord le flash d'information. Le reportage des régions nous amène à Zender, plus précisément à Tanout pour parler de vente de téléphones d'occasion. Nous avons également le loti, la rubrique santé. Notre invité du jour est Abdoulaye Jibo alias AD, artiste chanteur. Le Niger sur Kalangou, c'est maintenant. Fidèles auditeurs, voici le flash d'informations présenté aujourd'hui par euh, Rafika Attaher. Bonjour Rafika, ça va Bonjour Ruki, bonjour Habiba, comment vous allez Bonjour Africa, quelles sont les nouvelles ce matin Alors pour ce matin, le ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi a procédé à l'organisation des horaires de travail pendant le mois de Ramadan. Le ministère informe les responsables des administrations publiques, des collectivités territoriales, des entreprises et établissements publics que conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0169 bar MFPT bar E, du 11 mars 2024 la durée hebdomadaire de travail dans les administrations publiques, les collectivités territoriales, les entreprises et établissements publics pendant le mois de Ramadan est organisée comme suit. Du lundi au jeudi, les horaires sont fixés de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 13h. Nous avons aussi le maire de la commune urbaine de Tilaberi qui, dans une note, a aussi annoncé hier, lundi 11 mars 2024, que la circulation des motos à deux roues est autorisée de 6h à 20h au lieu de 6h à 19h à l'occasion du mois de Ramadan. Par contre, les motos tricycles sont autorisées à circuler sans heure fixe. Le maire a informé dans la note que cette mesure exceptionnelle prend effet le même jour et ce jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et enfin, le Premier ministre, ministre des Finances, Ali, Monsieur Ali Mohamed Lamine Zen a reçu hier, lundi 11 mars 2024, à son cabinet Monsieur Jiang Feng, ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger. À l'issue de cette audience, Monsieur Jiang Feng a indiqué à la presse que son entretien avec le Premier ministre nigérien a porté essentiellement sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Et c'est tout pour ce matin. Merci Rafika, bonne journée. Chers auditeurs, comme annoncé, nous sommes avec Abdelahi Jibbo, notre invité. Il est artiste chanteur. Bonjour Adé. Bonjour, ça va Ça va bien. Studio Kalangou. Et bonjour à tout le monde. Et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors Adé, d'où vient votre nom d'artiste Mon nom d'artiste vient tout simplement de mon nom, Ablay Jibbo. Abdelahi A, Jibo D. C'est simple. adé. Ah, tout simplement. <laughs> Ça fait combien de temps que vous avez débuté votre carrière d'artiste Bon, en fait, ça fait, ça fait longtemps parce que j'avais travaillé avec les grands frères qui sont Wasouan et Chake Et maintenant, même maintenant, je travaille avec euh, Bilal Kate qui vient d'Accra, qui a fait un album. Alhamdulillah, ça va. Vous êtes le frère de Blaise Kate. Je suis pas son, je suis son frère presque dans la musique parce que nous sommes tous les mêmes. Et il m'a beaucoup montré dans la musique. Il m'a beaucoup et avec Tchake aussi. Mhm. Et il y a Ibro, il y a Hamani, il y a Steve, Tchake. Donc euh, c'est avec Steve j'avais fait mon premier son, c'était en 96 je crois bien ou bien en 97 18. J'avais fait mon premier son qui s'appelle Afrique. Mhm. Afrique que beaucoup de gens ont pris pour le père, quoi, mhm. Afrique. Donc, je l'ai, j'ai, refait ce même morceau-là et en cette année 2023, je crois bien, oui, oui. Mhm. en, 2023, j'avais fait, euh, j'avais fait, j'avais reformé l'ancien projet pour faire un nouveau morceau qui a le même refrain, les mêmes couplets, mais sur une autre tournure. Mhm. Et Ade, quel est votre genre musical moi, je fais de la musique urbaine. Mhm. Je fais de la musique urbaine, la musique qui parle, la musique euh, et la musique qui parle, la musique qui parle de nos vies, quoi. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'a pas besoin d'aller plus loin pour faire de la musique, la musique est à côté de toi. Mhm. et tu peux le voir à côté de toi et tu peux chanter là-dessus. Par exemple, je parle maintenant de, de mon premier morceau qui s'appelle Nougou Nougou. C'est le jargon. Chez nous, quand on dit nous, ça parle de tout. C'est comme si c'est les gens qui, qui, passent tout leur temps à parler mal sur la vie des autres, mm. les hypocrites, je peux dire. Mm. Donc c'est un peu comme ça. Mm. Et à part ça, vous touchez à quel thème Je touche vous, les femmes, mm-hmm. c'est important. Pourquoi les choix des femmes <laughs> Les choix des femmes, c'est nos mamans, c'est nos femmes, c'est nos soeurs, c'est nos filles. Donc euh, elle est la mère de l'humanité en fait. Mm-hmm. Oui, oui. Alors, Adi, combien d'albums ou singles avez-vous à ce jour Bon, à mon actif, actuellement, j'ai deux albums. Je mhm. peux dire j'ai deux albums. Parce que le premier album, je l'ai commencé ici, mais je l'ai terminé au Mali. Mhm. Avec Kabaku, avec IHD. Et le deuxième album, il y a son projet. Mais je ne l'ai pas touché d'abord, je travaille sur le projet jusqu'à présent. Mais le premier album, je devais faire le vernissage le 3 mars passé. Mais vu les incidents qu'on a eu chez nous ici à Goudel, donc c'est pas possible. Mhm. Nous sommes de la même famille, donc euh, c'est un peu compliqué quoi. Donc c'est pour ça on avait repoussé, repoussé. Et Adé, est-ce que vous faites des scènes à l'international Pour les scènes à l'international, et jusqu'à présent, pas maintenant. Mhm. Mais j'ai fait beaucoup de scènes. Et au Mali. Mhm. Ici, j'avais voulu faire et le vernissage de l'album. L'album s'appelle Ouvre à ce monde. Mhm. Oui. Parce que quand tu regardes le monde maintenant, et tellement il y a l'hypocrisie, tellement les gens ne s'aiment pas, c'est un peu compliqué. Donc euh, il faut rappeler les gens, il faut leur parler de la vie qu'on vit, il faut leur faire comprendre mhm. et que dans la vie, tant que c'est l'union qui fait la force, quoi. Mhm. Donc la musique, c'est auprès de toi. Tu peux le voir. À chaque moment, tu es avec la musique. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin pour chercher. C'est juste à côté de toi. Mhm. Il y, a, y a la femme, j'ai dit, il y a les enseignants, il y a Niger Sojay. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait. J'ai un album de 11 titres actuellement qui vient de sortir. Mais il faut le jour de la fête. Les gens ils ont commencé à parler, mais quand même, on a eu un consensus que c'est le jour de la fête, s'il plaît à Dieu, le jour de la fête. Alors, Adi, avez-vous déjà fait un featuring avec un autre artiste Bon, pour le moment, pas. Mais j'ai des featuring avec des artistes maliens qui sont actuellement au Mali. Mhm. Et les featuring, peut-être après la fête, j'irai au Mali. J'irai même au Mali, s'il plaît à Dieu. J'avais des Pourquoi pas avec les Nigériens Si, avec les Nigériens, il y a des artistes qui m'ont proposé. Mais on a des projets. Et ça dépend de la façon dont la personne veut qu'on travaille et sur quoi travailler. Parce que ma musique, dans ma musique, moi, j'insulte pas. J'insulte pas, j'éduque. Donc, c'est une bonne. C'est une c'est une bonne voie, quoi. Il faut montrer à la jeunesse qui vient, vient à la génération qui vient. Mhm. que, parce que, par, exemple, moi, il y a des enfants qui peuvent me prendre comme, comme, comme, comme l'artiste qu'ils aiment, quoi. Nous vous reviendrons pour la seconde partie. Ruki, passons à la rubrique Conseil religieux. Oui, Habiba, le ramadan a débuté hier, ce mois consacré à l'adoration et à la pratique des bonnes œuvres par les musulmans. Alors, comment accueillir ce mois et quels sont les comportements à adopter envers son prochain. Oustaz Mustafa Mohammed prédicateur et membre du Conseil islamique du Niger, apporte des précisions il est au micro de Rafika Attaher. On l'écoute. Le mois de Ramadan, il est accueilli par un verset. Lorsque Allah lui-même il a dit dans le Saint-Coran que quiconque aperçoit le croissant lunaire du mois du jeûne de Ramadan, eh bien, il prend directement l'intention de le faire, sauf s'il est malade ou il est en voyage. Donc, on l'accueille par une niya, c'est une bonne intention, dans le cœur et dans la, langue, qui annonce que, en regardant ce croissant lunaire là Allah, je prends l'engagement de jeûner les jours de ce mois de Ramadan, Allah que tu nous viens en assistance. Quel comportement adopter envers son prochain pendant le mois de Ramadan Le comportement envers son prochain, c'est la solidarité. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité. Il faut être solidaire à lui, il faut sentir sa peine, il faut aussi jouir de sa joie. Donc, euh, il faut euh, lui donner un certain réconfort. Si tu as quelque chose même si c'est un morceau, et que lui, il n'en a pas, le mieux, c'est de toujours penser à lui, de partager pour lui donner ou de couper pour lui donner. Donc, euh, envers son prochain, c'est il faut lui montrer l'ouverture d'esprit, n'est-ce pas Lui montrer que vraiment tu es solidaire à lui, vous êtes dans les mêmes, dans les mêmes sièges, vous avez les mêmes objectifs, vous avez les mêmes, la même cause. Donc, c'est comme ça, il faut lui, mettre, euh, lui donner un certain réconfort, qu'il sache qu'il est soutenu, il est, il, est ami, il est, il est, aimé quelque part. Les jeunes qui vont gêner, ça va prendre un coup. Mais on ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les jeunes. Mm. Mais ça va prendre un coup dans le sens où euh, les jeunes du Ramadan, c'est fait pour se pardonner, pour se partager euh, les, les, meilleurs et les pires. Mais voilà que des, gens qui, qui veulent la, la, la bénédiction d'Allah, qui veulent la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah, se chamaillent jusqu'à couper la parole. Ça, c'est extrêmement mauvais pour eux et c'est un mauvais sort qui les attend. Et c'est le moment où, c'est le moment où les, les anges circulent. Les mhm. anges vont témoigner de votre mauvais comportement qui risque de donner un coup. Ça, c'est Allah qui sait comment il va faire. votre jeune va prendre un coup parce que vous voyez, on dit que la bouche gêne, mhm. les yeux gênent, les nez gênent, les oreilles gênent, tous les organes les, organes de l'organisme humain gênent, chacun de sa manière. Donc si vous vous empêchez par exemple, ou bien vous utilisez la bouche dans le sens où euh, ça, va, ça va la blesser. C'est pourquoi il ne faut pas aussi regarder n'importe quelle image, il mm-hmm. ne faut pas écouter n'importe quelle chanson, n'importe mm-hmm. quelle euh, sottise. Ça veut dire que en refusant de s'adresser la parole, de bonnes paroles, n'est-ce pas, en se faisant des brimades, n'est-ce pas, par la bouche, c'est extrêmement dangereux et que les, jeunes vont prendre très forcément un coup. Merci Rafika. Retour au studio avec notre invité Adi pour la seconde partie de notre entretien. Alors Adi, avez-vous un autre métier à part la musique ou vous vous contentez juste de la musique Non, non. Et je suis maintenancier. Je repars les téléphones, les ordinateurs, je fais les mises à jour. Et je fais tout, la maintenance soft, hard. Je fais les écrans pour arriver au Mali. J'ai beaucoup appris. Je fais le froid. Je fais beaucoup de choses. Je peux dire que je suis un touche-à-tout. Je ne pas seulement la musique. C'est dans mon métier même, je paye pour la musique. Donc, euh, je suis maintenancier. Donc, la musique ne nourrit pas son nom <laughs> je ne veux pas dire que la musique ne nourrit pas son nom mais quand même, au Niger, c'est un peu compliqué. Mhm. Tout le monde le sait. Mhm. Tout le monde le sait, c'est un peu compliqué, mais ça va aller. Tu mhm. sais, au Niger, si tu parles pas pour, tu chantes pas pour appeler le nom de quelqu'un ou bien quelque chose qui va avec quoi, c'est pas possible. Mhm. Donc. Euh, Allez, j'aimerais savoir, euh, vous travaillez seul ou vous êtes en groupe Bon, moi j'ai mon propre atelier. Toutefois, s'il y a des enfants qu'il faut prendre pour les, pour les encadrer, je suis là. Parce que je l'ai fait au Mali mais j'ai ouvert mon atelier ici, ça fait pas deux ou trois mois. Mhm. Et les ventilateurs et les humidificateurs, les, les écrans je suis un touche à tout, je mhm. touche à tout. Et côté musique Côté, musique, ça va, je fais du reggae, de la musique urbaine, de la musique vraiment qui sensibilise quoi. Oui, vous travaillez seul ou en groupe Je travaille, musique. je suis en solo. Ah oui, vous oui, je suis en solo. solo. Mais pour faire des chœurs, je peux prendre des gens comme ça dans le studio mhm. pour me mettre la voix. Mais pour le moment, je suis seul. Mhm. Et qu'est-ce qui vous inspire Quand vous voulez écrire, vous avez de l'inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire Bon, ce qui m'inspire vraiment, c'est de faire comprendre aux gens beaucoup de choses que les gens n'ont pas compris. Parce que si je dis les gens n'ont pas compris, et quand on regarde aujourd'hui, c'est l'union qui fait la force. Mhm. Mais L'individualisme, c'est ça les gens ont mis devant. Au lieu de, de faire la collectivité mm-hmm. et travailler ensemble. Parce que si c'est pas l'union, seule l'union fait la force. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Vous avez vécu une histoire Vous pouvez nous raconter une anecdote tu, sais, quand tu, tu, le chemin, comme l'a dit Fénon, mm-hmm. le chemin est dur et plein de blocages. Le futuring avec le est là. Mm. Donc c'est pour parler au MC quoi. <laughs> Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça <laughs> Sûrement peut-être vous avez vécu dire ça. Le chemin est dur et plein de blocages. Et, et l'artiste, à chaque fois, il a besoin de quelque chose et à chaque fois, il est vraiment dans des situations un peu critiques, je peux dire, parce que le studio c'est un peu compliqué, tourner les clips. C'est-à-dire, il faut tout dire quoi, il faut tout dire en général. Je ne parle pas de moi seul, je parle des artistes tous les artistes mhm. nigériens, sauf, ceux qui ont eu la chance d'aller plus loin. Parce que et maintenant, quand tu n'as pas l'espoir, tu veux faire quelque chose. Et c'est facile de lâcher. Mhm. Très facile. Adé, est-ce que vos fans apprécient ce que vous faites Qui Vos fans. Votre, public. mes fans, oui. Actuellement, ils savent que je suis au studio actuellement, ils savent que peut-être ils ont eu même Donc les ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Donc, euh, mes fans, moi, je suis, bien avec mes fans. Chaque fois, on s'écrit, on, se bouscule, ça va, quoi. Mhm. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos fans Bon, ce que j'ai à dire à mes fans, et c'est de rester toujours positif. Mhm. C'est de rester toujours positif et de ne pas rebrousser chemin et de ne pas lâcher. Parce que et tant qu'on vit, il y a espoir. Mm-hmm. Parce que l'espoir fait vivre. Mm-hmm. Tant que tu vis dans le désespoir, tu ne peux même pas commencer à faire des trucs. Donc, euh, il faut toujours garder espoir. C'est le mm. message que j'ai à lancer à tous mes fans. Et je profite de l'émission pour vous dire à mes fans de ne pas oublier le jour de la fête, c'est le jour du vernissage de l'album, s'il plaît à Dieu. Où va ce monde mangano eh, nyago eh, mangano uh, hayo gote <laughs> agati gudal Okay. Et eh, Radio Jeunesse 99.00, guys. <laughs> avec ce mois de Ramadan, comment se déroulent vos activités Bon, avec ce mois de Ramadan, tout le monde le sait, c'est un peu. Ça va. Comme c'est une affaire de Dieu, là. <laughs> tout le monde est là-dedans, ça va. Et que Dieu nous récompense, Dieu nous protège et que Dieu nous donne vraiment la bénédiction de ce mois béni. Mhm. Donc, euh, merci à vous, Adé, d'être passé de notre émission Le Niger sur Kalangou. Très bonne journée à vous. Habiba, passons au conseil du nutritionniste. Oui, Rukaya, pendant ce ramadan, beaucoup de personnes utilisent les feuilles de basilic, communément appelées Korogabu ansarma pour donner une... <laughs> pour donner une bonne odeur à leur jus ou autre préparation. C'est une plante reconnue pour ses divers bienfaits. Plus de détails avec le nutritionniste Abdelrazak Bello au micro de Rafi Abdelai. Quelles sont les vertus du basilic La première vertu du basilic, c'est le fait que le basilic contienne des aromates. Donc, euh, le fait que ce basilic contienne des aromates, ça fait que le basilic euh, a tendance à améliorer la qualité de nos repas, notamment ce qu'on appelle la qualité organoleptique, c'est-à-dire que euh, c'est le goût, c'est l'odeur. Tout le monde a déjà remarqué que les feuilles de basilic, dès que vous les touchez, ces feuilles-là dégagent une bonne odeur. Et cette bonne odeur, c'est lié à la présence de ces substances aromatiques. La deuxième vertu associée au, basilic, c'est sa qualité nutritive. Maintenant, de par sa qualité nutritive, dans le basilic, on a des vitamines et des sels minéraux. Parmi les vitamines et les sels minéraux qu'on va avoir, on a notamment la vitamine A et la vitamine C dans le dans le basilic et on connaît l'importance de la vitamine A pour euh, renforcer le système immunitaire et la vitamine C, en plus de renforcer le système immunitaire, la vitamine C est une vitamine anti-fatigue. Quels sont les sels minéraux présents dans le basilic Maintenant, en plus des vitamines, le basilic contient également des, sels minéraux et euh, parmi les sels minéraux, on peut notamment citer le calcium, le magnésium et le potassium. Tous ces éléments-là vont expliquer pourquoi le basilic peut être euh, impliqué dans la prévention de certaines maladie lorsqu'on sait que euh, le potassium a tendance à baisser la tension artérielle. En plus de cela, on a d'autres éléments qu'on va retrouver dans le basilic qu'on appelle des phytomicronutriments. Quel est le rôle des micronutriments? Ces micronutriments qui sont dans, dans le basilic expliquent en grande partie euh, les vertus qu'on appelle fonctionnelles, cest à les vertus pour la santé associées au basilic. Et parmi les micronutriments on a un spécialement qu'on trouve en quantité euh, considérable dans le basilic qu'on appelle les flavonoïdes. Et la présence des flavonoïdes confère au basilic des propriétés intéressantes parce qu'on a remarqué que les flavonoïdes ont des propriétés antioxydantes, font que le basilic peut être euh, impliqué notamment dans la prévention des maladies cancéreuses. On a également remarqué que le basilic contient des flavonoïdes. Donc on sait également qu'il y a une relation entre la consommation des flavonoïdes et les maladies cardiovasculaires de façon générale. Et on sait qu'il y a une association en plus du potassium et l'action des flavonoïdes. Donc ça peut avoir un effet bénéfique sur euh, l'abaissement de la tension artérielle. C'était le conseil du nutritionniste. On prend une pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou et c'est lors de la rubrique hebdomadaire qui s'intéresse aux questions de santé. Et aujourd'hui, le médecin explique les paludismes chez la femme enceinte et nous allons à Baudeta, un village situé à une trentaine de kilomètres de Tessawa, région de Maradi. Comment se manifeste cette maladie et quelles pourraient être les complications Réponse avec Salissou Jaharou, responsable du centre de santé. Et c'est d'ailleurs toi, Habiba, qui l'a interrogé. On <laughs> l'écoute. Comment se manifeste le paludisme chez la femme enceinte Le paludisme chez la femme enceinte se manifeste. Il y a la fièvre, il y a les douleurs articulaires, il y a douleur abdominales et à des céphalées. Et aussi, parfois même, vous allez voir que la femme est en train de, de perdre du liquide ou bien elle est en train de, de perdre le sang. Ici, au niveau des CSI Bodeta, quand ils viennent, lors de leur consultation, comme qu'il y a un TDR qu'on fait, déjà quand on fait le TDR, on voit que la femme a un TDR positif. Et là, elle a le paludisme. Et aussi, à travers ça, on va renforcer l'interrogatoire en demandant à la femme est-ce que tu fais la fièvre, est-ce que tu as des céphalées, est-ce que tu as des asthénies, est-ce que tu ne perds pas de, liquide. La femme, c'est à ce temps-là qu'elle va se rappeler que, a ah, vraiment, hier ou bien avant-hier, elle a fait la fièvre, elle elle et des, fois, elle fait des, des maux de tête et autres. Quelles sont les complications qu'il entraîne Les complications que le paludisme entraîne chez les femmes enceintes, il y a l'anémie. C'est-à-dire la femme, quand elle vient ici, dès qu'on la voit même physiquement, et au niveau de ses conjonctives, ses pales, et bien au niveau de ses plantes de mains, on va voir que c'est pâle aussi, ou bien quand, quand elle, euh, on lui demande de sortir sa langue, on va voir que c'est pâle. Et à part ça, et aussi, il y a des avortements. Ça provoque l'avortement, ou bien ça provoque euh, aussi, comment on appelle ça, l'accouchement prématuré. Et aussi, ça provoque les, les saignements. Et rapidement, la femme, elle peut même perdre sa vie. Parce que, vous savez, la situation de notre, des, femmes ici, dans notre milieu, vraiment, vous allez voir que la femme va souffrir, souffrir à la maison. Et c'est à la dernière minute que vous allez voir qu'elle va venir se consulter au niveau des CSI et à ce temps-là, c'est trop tard. Donc, euh, on est obligé de référer la femme pour la transfusion et continuer le traitement du paludisme euh, au niveau de, l'hôpital. On les réfère au niveau de l'hôpital du district de Tessawa. Comment se fait la prise en charge du paludisme chez la femme enceinte Dès qu'on constate que a ah, la femme là, on fait le TDR, on voit qu'il y a ah, un TDR positif. Et si il n'y a pas de signe de gravité, là, donc c'est un paludisme simple. On lui donne son ACT et on lui explique le moment où elle va prendre les médicaments, c'est-à-dire elle va prendre quatre comprimés le matin, 4 comprimés le soir pendant trois jours. Et maintenant, s'il y a les signes de gravité, donc ça c'est un paludisme grave. Et même en cas de, de, paludisme grave, là, il y a des situations sur lesquelles nous, ici au niveau des CSI, on intervient et il y a des situations où vraiment, ça nous dépasse. Si on voit que là, ici, au niveau de ceci, on peut gérer le paludisme grave, là, on peut gérer ça à travers de l'administration des, produits par voie parentérale. Il y a même les sérums qu'on fait. La durée de traitement, c'est en fonction de l'évolution de son état. Voilà. Alors, quels sont les moyens de prévention À chaque consultation, dès qu'elles viennent ici ou bien lors de notre sortie de sensibilisation, on leur dit de dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides. Et chaque femme qui vient au niveau de, de ceci pour la consultation prénatale, et il y a les produits qu'on appelle sulfadoxine qu'on leur donne. Ça aussi, c'est pour la prévention du paludisme. Et on les sensibilise dans leur ménage d'éviter de laisser l'eau stagner pour éviter la prolifération des moustiques. Certains jeunes de la commune de Tanout commercialisent des téléphones portables d'occasion. Une, une, alternative pour lutter contre le chômage, notre correspondant de Tanout, Mansoura Lassan, s'est intéressé au sujet et c'est le reportage des régions d'aujourd'hui. Duba da yaƙi da zaman kashe wando matasa a cikin garin Tanut sun shiga sana'a saye da saidawa salolin zamani wato Android. Sanin irin matsalolin da suke fuskanta da ma irin amfanin da suke samu dangance da wannan sana'a ya wale haru wani matashi ne mai wannan sana'a ga irin abin da yake cewa. Alhamdulillah tana rage zaman kashe wando muna samu baƙi kamar in suka zo za su wuce wani zai koma Alje zai koma Libi sai kawo ya saida mu mu kuma sai mu shiga gari mu saida mu samu na abincin mu a ciki wani ka san wani yana ɗaukowa ya zo ya kawo ya saida maka ba ka sani ba wani tashi ce ya kawo ya saida maka haka nan ita da dama sana'ar solula occasion Allah na tsarewa cikin ta rayuwa da kake gani baka iya gane mana huki sai ga mutum ya zo maka lahiya lau ya ka maka in ka sai kuma wani gami sai ka ta bada kura cikin irin mutanen da ke amfani da wannan salula android alhaji haruna wanda aka yi sani da suna kase daya daga cikin masu saye suna saidawa shi ma ga irin bayanin da yake mun dangance da wannan sana'a bisa harkar salula gaskiya jagul in salula a kasuwa na shayi na shayi kuma na sha cin riba shi ma kai ni dai har yanzu ban samu wata matsala ba gaskiya matasa suna yi shi ka san ka sai salula wajen wanda ka gane wanda ka gaishe ma ka san dai harkar shi sama sama ce kin kuma ba dan gari bane ba san shi ba Ko san da zaka same shi ba akwai su da muna gani dai mu to sai salula su ba muna tsoro muna sayi gaskiya wajen wanda muka sani sosai suna jagul ana samu sosai mu ma da muke jagul in muna samu mutum ya tsire gaske shi ma ta salula masa salula jika arba'in yanzu ka zo ka sai ta jika ashirin ka san kai kanka dai ka san ba kuɗin ta bane eh gaskiya kai kuma mai sai in ka zo da ma mai san jagulan ka salula ka ga salula lagon malam a rakacak ka san dai a kona ba ciki to inda tashi ina kake wayoyin mata ba ya ta yi shi kinin gome yake ka sai wayoyin matasa wannan samari masu aiki gaskiya wanda ke sun tashi ma ba wani matsala ka same su akwai su jiwa a nan garin mun san su nura abdu matashi ne a nan garin tanut mai amfani da irin wannan saluloli a nashi waje yana mai shin daɗi da sayan irin wannan saluloli. sai eh, gaskiya masu sai da saluloli irin na jagwal mu da yawancin salulolin da nema a irin su da nake saya kuma lahiya lau ina aiki da su. irin hannun 'yan jagwal na sai ta kuma lahiya lau kuma ban taɓa samun wata matsala ba a cikinta. C'était un reportage de Mansour Alassana. Chers auditeurs, c'est le moment pour nous d'attaquer les sports. Et notre chroniqueur Grouza Hassoumi est dans la place. Bonjour Grouza. Bonjour Abiba, bonjour Ruki. Bonjour Grouza. Le palais du 29 juillet de Niamey a abrité la quatrième édition de la Coupe de l'amitié Chine-Niger. Oui, Ruki, en effet, il s'agit d'un tournoi de badminton. Voilà quatre ans déjà eh, que la Fédération jeune de badminton et l'ambassade de la République de Chine au Niger organisent cette rencontre du donner et du recevoir. Ça s'est déroulé samedi dernier dans le but de consolider leur lien d'amitié. Cette coupe et symbole euh, de fraternité entre les deux pays. Gourouza, la Fédération nigérienne des randonneurs pédestres et sport pour tous a organisé au stade général Sénikuntio de Niamey une sortie sportive. Oui, Abiba, euh, la fédération l'organise périodiquement à l'intention des intéressés avec pour objectif de mettre euh, tout le monde au sport. Ali Samba, il est le président de la FENIPEDES, nous dit un peu plus. Oui, notre fédération a comme euh, but de mettre tout le monde au sport, les jeunes comme euh, les âgés. Et de manière périodique, nous faisons des sorties où nous mobilisons les pères de famille accompagnés par leurs membres de famille et les autorités et plein d'autres gens pour euh, d'abord avoir un moment de convivialité un moment de solidarité, un moment de joie, tout en étant dans une activité sportive qui va leur permettre d'avoir une bonne santé psychologique et physique. Une fois par mois, nous faisons sortir les jeunes dans un environnement sain, c'est-à-dire par exemple à côté du fleuve, où ils vont marcher à peu près 30 minutes à une heure de temps pour euh, vraiment évacuer les déchets qui sont dans leur cœur et après cela, on a une animation de sensibilisation, de gymnastique, etc. pour leur permettre de se distraire au lieu d'aller dans des lieux qui peuvent constituer des risques pour eux, comme des bars, comme se noyer dans le fleuve et autres. Donc on a ici des spécialistes qui les accompagnent et c'est une très bonne chose euh, que nous remarquons sur l'impact que ça donne au niveau de ces jeunes. Oui, euh, comment vous faites euh, le choix de ces jeunes non, on ne choisit pas, on informe et tous ces gens-là, à travers euh, le. Comme c'est que s'ils comprennent que c'est une chose qui les aide et qui, là où ils vont, c'est un lieu où ils peuvent se divertir et en même temps avoir des acquis tels que la santé. Donc on passe les messages un peu partout pour les mobiliser. Ce sont des initiatives que nous voulons que les autres médias et comme Kolangu, et on vous félicite en particulier Kolangu pour tout ce que vous faites pour les jeunes. les jeunes sont très contents, ça ce n'est pas de la publicité que je fais pour vous. Les jeunes euh, vous aiment et nous, nous souhaitons que les autorités et toutes les bonnes volontés continuent à accompagner Kolangu parce que Kolangu donne tout ce qu'ils ont au service de la jeunesse. Oui, c'était là Ali Samba, président de la FENI pédestre. Et sur place, à euh, Abiba et Ruki, il faut noter que dans l'enceinte du stage général Sénécountier, ils étaient des centaines à faire des mouvements d'ensemble. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza pour toutes ces informations. On passe au portrait et aujourd'hui, cette rubrique nous amène à la rencontre de Fatimou Kaila en situation de handicap elle est la présidente du groupement Suruga Kanu dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey, si vous voulez, à la rive droite. Fatih a déjà formé plus de 40 femmes de la fabrication de l'encens. Fanta nous dresse son portrait. en écoute. Nous sommes au marché du rond-point Harobanda. C'est ici que se trouve la boutique du groupement Sourg Kanou, un groupement composé d'une dizaine de femmes, toutes souffrant d'handicaps divers. Elle s'attelle à la confection d'habits pour enfants et autres produits ménagers. Fatima Munkayla est la présidente de ce groupement. Pour elle, le handicap n'est pas un frein à l'autonomisation.

ya dinga ni gi hinga te ni bonsi ni him ga baran digi nay kulkan dumo yi ga dan dugora turarainu no eh, amandin yan harunna yan iga ba dai turarai duma iga ba kan warai ni ga gisi kan to ba dumi taki waligu mun kuna bor marje kan ai dondon andi wallahi mun ti bor wai ci sanni ai go alhamdulillah ai go sabai go yosi yi ga gondi ize izi yin sunu afasini hinka no gono albor hinka alhamdulillah lokol no rai bani seno seno watu kulka irdi gwai irgi ce ci goyo de irmu na goyo de ra kan ganan irmu kwai gini su ba irmu yi banda ir chalai mo kayan watu kulu irgi ci sai kan gwai wa ga bonnafa amma kan bisalliya su bonnafa Merci Fanta Chamsou pour ce portrait très inspirant. Fidèles auditeurs, on se retrouve juste après cette petite pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. 11 heures passées de 36 minutes. Fidèles auditeurs, place à présent à la rubrique rose jusqu'au bout des ongles. Rabbi Maikano, Maria Mahade et Fanta Chamsou nous proposent un moyen d'entretenir et protéger les cheveux. Côté cuisine, comme c'est les mois du ramadan, vous aurez une recette de jus naturel que vous pouvez facilement préparer pour étancher votre soif à la rupture. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la cuisine, la mode et la culture, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. de l'espace santé et bien-être, nous parlerons du bienfait du bicarbonate de soude sur les mains et sur les pieds. Puis en beauté, avec moi Fanta, nous découvrirons les gestes à éviter pour chouchouter nos cheveux. Et en cuisine, avec moi Bibi, on va se rafraîchir avec quelques astuces de jus naturel. Top, mhm. c'est parti! Le bicarbonate de soude ne va pas arrêter de nous surprendre avec ses multiples bienfaits. Notre blogueuse beauté Juma déjà vous vient aujourd'hui avec une astuce magique pour les mains et pour les pieds. On l'écoute. Cette astuce que je vais partager avec vous, c'est pour aider toutes ces femmes qui ont des problèmes de taches au niveau des pieds ou des mains, ou dont les pieds et les mains sont plus sombres que le reste du corps. On rencontre ce phénomène surtout chez les personnes qui utilisent les produits éclaircissants. Donc, ce qu'il faut, c'est de mélanger une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de bicarbonate et une cuillère à soupe de Nescafé. Tu vas mélanger avec le jus d'un citron. Après avoir fait le mélange, tu vas remarquer que ça va commencer à mousser. C'est cette mixture que tu vas appliquer sur les pieds et les mains et tu vas frotter. C'est une astuce à faire régulièrement. Donc après la pédicure, tu passes la mixture, tu frottes. C'est une astuce qui va te dire à réduire les tâches, ça va embellir les pieds et les mains et ça va les rendre éclatants. Ça nous échappe quoi, que le bicarbonate est aussi magique. Le bicarbonate et aussi les autres ingrédients. tu vois, ah, moi j'essaie dès demain. <laughs> Ou dès ce soir, carrément. Ah, ça c'est vraiment la reine de la beauté <laughs> de la République. <laughs> Alors, avec moi aujourd'hui, Rabi, on va parler des cheveux, de comment les chouchouter et les protéger au quotidien. Pour ça, il est important de faire attention à certains gestes, comme ne pas protéger ses cheveux. Crépus ou défrisés, les cheveux ont besoin de protection et les coiffures protectrices peuvent aider. Elles permettent d'éviter les manipulations trop fréquentes des cheveux et maintiennent l'hydratation. Un chignon bien soigné ou encore des tresses faire la Ensuite, ne pas s'occuper de ses cheveux et du cuir chevelu sous ses coiffures protectrices. Bien que faire des coiffures protectrices implique que nous manipulons moins nos cheveux, il est indispensable de prendre soin de nos cheveux et de notre cuir chevelu en lui apportant hydratation nutrition. Dans la rubrique du dimanche, nous partageons avec vous quelques produits naturels que vous pouvez utiliser pour chouchouter vos cheveux. Il y a aussi le fait de faire de mauvaises coiffures. Hormis les coiffures protectrices, nous avons aussi les destructrices qui fragilisent les cheveux crépus et les cassent. C'est le cas des coiffures trop serrées, des coiffures gardées trop longtemps ou encore les rajouts des mèches à répétition qui ont tendance à assécher les cheveux de fait de laver ses cheveux trop souvent. C'est curieux, je sais, mais il est conseillé d'espacer votre fréquence d'utilisation de shampoing à une à une fois tous les 10 jours pour ne pas les agresser avec certains produits chimiques contenus dans nos shampoings et le fait de négliger les soins. Les soins sont indispensables pour maintenir les cheveux forts et en bonne santé. Les bains d'huile et les masques profonds permettent d'hydrater, de nourrir et de fortifier nos cheveux. Merci Fanta, merci pour tes astuces. Mariam, toi je suppose que t'as pas besoin de tout ça, hein. cheveux ils sont juste dans le dos. <laughs> non mais vraiment tu as trop de chance. Comme d'habitude dans la rubrique rose, dans celle-ci on va s'occuper un peu du rafraîchissement, donc des jus naturels. Première astuce pour un bon jus de bissap. Déjà, j'ai découvert avec une collègue passionnée de cuisine, merci Rafika, que les feuilles de bissap écrasées et infusées donnent un meilleur goût. Et cette infusion permet aussi de garder toutes les vertus nutritives des feuilles de bissap. Ensuite, à faire bouillir des pots d'ananas avec quelques clous de girofle pour ajouter à ces feuilles de bissap écrasées, c'est top. Juste après avoir éteint le feu, vous pourrez euh, également mettre un bouquet de menthe, de citronnelle ou des feuilles de basilic que vous allez laisser infuser au moins 10 minutes pour un jus bien parfumé. Enfin, quand ça sera la saison de la goyave, n'hésitez pas à ajouter de la purée de goyave dans votre bissap. Faites-moi confiance, c'est magique. Et je t'assure, Rabi, si tu essaies l'astuce dans le bissap avec les cristaux de menthe, tu vas adorer. Mais ah attention à la dose, juste un tout petit peu, ça sera frais et top, je te jure. Ok. <laughs> <laughs> Merci. En tout cas, celle de la goyave, c'est une spécialité sénégalaise et c'est incroyable comme c'est super bon la goyave dans le bissap. C'est tout pour aujourd'hui. Bon rafraîchissement. Merci les filles pour ces astuces. Le Niger sur Kalangu, même sans la musique, c'est aussi un espace de détente. Place à notre rubrique Affairage ou loti qui sensibilise sur les différents sujets qui vous donnent le sourire. Et aujourd'hui, découvrez avec nous les échanges entre deux mamans sur l'utilisation des ordinateurs et l'accès à Internet des enfants. Que l'impact Réponse dans ces lotis signés Fanta sous et Rekia Hey! barka Roma. Ai barka ka dai ke dai bari yau mun kwaso gajiya sosai. Ai gajiya kai akwai ta. To, wai ma ina yaran suke? Ai ya ci a ce sun sabko daga makaranta tun ɗazu. Lallai dai kam, to duwa ki gani watakila suna cikin ɗakin su Bari in je in duba. Kai kai kai kai kai mi nike shirin gani mi kake kallo? Subhanallahi kashe mini wannan kwamfutar kowa ya koya muka kallon wa'annan mugayen abun. Bari babanka ya zo za ka gane kurenka. Hmm. Ke kawata wai lafiyar ki kuwa ya kina jin da kike ihu haka ko ina ana jin ki har bakin kofa. Hmm. Ruma bari abun ne ya fi karfi na aike ma dan baki ga abun da na gani ba ne. Marwan ke kallon irin mugayen shafukan nan na yanar gizo akan kwamfutarsa. Kwamfuta kuma? Shi yanzu wannan ɗan mitsitsin yaron har da kwamfuta kuka bashi. Haba, to dan ya mi da ita ma wai. Ai wai abokanansa na makaranta ne ya gani suna da shi, ya zo ya ɗora wa baban shi kuka sai an saya mishi guda, sannan baban ya sayo mishi. Amma yanzu, kin ga wannan al'amarin ya fi ƙarfi na wallahi ruma. Komi muka gaza a cikin tarbiyarsa. Ke uwa, kwantar da hankalinki kin ji ai ba zancen tarbiyyar da kuka bai wa 'ya'yanku ba ake yi a nan wurin masu ɓata sun nan a waje ne suke shi ake magana a nan kin gane wato mugayen abokai a makaranta ko cikin anguwa e mana ai ni ma na samu irin wannan matsalar kwanakin baya da ɗiya ta safi dan Allah kuma baki taɓa min magana shi ba da gaske ko nake miki ƙawa amma fa akwai mafita a nan. To, taimaka mini kawani dai wannan abun ya ɗarme mini kai sosai. To, da farko dai ki sani, kariya da tarbiyyar ɗiyanki tana da dangantaka da kulawa da su, kamar kulawa da fita da dawowarsu, da kuma abokanan da suke yawo tare. Amma fa, ba tare da kin sha musu kai ba, sai kuma kin lura sosai da abubuwan da suke yi a kan yanar gizo, kuma zan ƙara jaddada miki, kar ki matsa musu, kar ki tsatsare su, kar ki tauye hakkinsu. Wai, ni kaina, to yaya ma zan iya yin wa'annan abubuwan duka da kika zana mini? Ki sani, incin da ke gare ki a matsayinki na uwa bai da sauƙi ko ɗaya, don idan kika matsa ma yaro zai iya kangare miki gaba ɗaya ya kumbishire miki. a duk sanda yake ƙara girma sai kin kama ki sosai. Don Allah ki rage wannan dogon ilimin naki, ki tsaya, ki mini bayani da kyau akan yadda kika magance matsalar ki da iyaki? To in dai har akan kwamfuta ne, abu mafi sauki shine ki samu manhajar nan wanda uwaye za su iya lura da duk abin da ke faruwa akan kwamfutar ɗiyansu. Ki sauke ta akan kwamfutar shi. Sak za ki rinka ganin duka wani abu da yake yi akan kwamfutarsa. Kuma duka irin mugayen shafukan nan za ki iya taushe su yadda ba zai iya hawa a kansu ba, har da mugayen firarrakin nan ba zai iya yi ba. Hmm. kuma yana aiki da kyau? Ɗari bisa ɗari mako. In dai har ba kalmar sirrinki suka gane ba. To baki da matsala ko ɗaya. Don idan yara suna hawa waɗannan kafofin na sada zumunta kamar su Facebook, su Twitter, su Instagram kinga suna iya yin hira da waɗanda ba su sani ba kenan kinga akwai matsala a nan wurin kai wannan abu kamar da wuya yake wai an ce gurguwa da auren nesa ko ɗaya ƙawata kawai dai zai ɗaukar miki ƴan kwanaki ne kinga idan mai gidan na ke zo ku firanta a kai don ku samu ku fara tun wuri kafin nan bari ki ga in tashi in kwace dukkan wa'ansu na'urori da ke hannu shi da uwar shi ai bari ke dai yau kin taimaka min kin wayar da kaina Na gode sosai ƙawa. ai ba komai ƙawa tsakanin mu uwayen iya Merci Fanta Chamsou et Rekia Arimi. Ruki, passons à la rubrique Astis et recettes. Et pour euh, la recette du jour, Madame Zaragoshi nous explique comment préparer une bonne sauce malohia d'Agadez, en d'autres termes, fokoufoy. Je vous laisse apprécier. yau za mu nuna miya ta malohiya ta gargajiya ta agada saboda malohiya ana son ta ko cikin wace jiha ce duk in ka je malohiya dai kowa yana son miyar ta to ita ce yau za mu nunawa gaban yara to ita malohiyar ga ya ne ake hada ta ita ana hada ta da nama da alkemu da daudawa da su tafarnuwa albasa da yajin miya da tomati tomati kuma ita busassa muke sai ta galgajiya mu gyara ta tomati kauda mu fidda mata kasa eh da komi da komi da ita muke aiki mhm. to yanzu in ka zo za ka yi wannan miya yaya mhm. ne za ka yi in ka zo za ka yi wannan miya da farko dai in ka zuba manka ya yi zahi sai ka sa nama ka soya shi in ka soya sai ka sa albasa tafarnuwa in suka soyi suka yi dafu da kyau suka fuddo mai sai ka kawo daɗa, daudawar ka ka sa ka sa alkemu ka sa lawashi tunda mu muna sa lawashi lawashi nan su zabar ma gabu suke ce musu amma mu can agadas lawashi muke cewa in ka soya su suka soyi suka soyi suka fuddo mai sa'annan sai ki kawo malohiya ita ma ki sa ta ki soya ta in kin soya ta ta da fitar soyu tana kamshi ko kin tsaye da ruwa ba ta cirewa za ka shanta da daɗin ta kuma kamar mutane masu cewa tana sa su estoma in suka soya ta ta soyu ba ta sa su estoma ba su estoma saboda kuma da ake sa alkemun shi in ka ci alkemun ba ka estoma ko mai estoman ne ya ci ta na estoman ba ya tashi to ita wannan miyan da wani lokaci ake yin in kana da sabga kana da baki ko kun kai ra'ayin kan kawai kai eh to in kai ra'ayin kan ma kana yi kuma in kana da baki ma kana yi kuma mu can agadas ba ko da ma wannan ne mai wasu suna yin ta saboda in suna biki tunda ita akwai murzazza akwai ta gari akwai wadda za a iya ci da shinkafa akwai wadda za a ci da tuwon tuke ko na masara ko na alkama mu dai wani alkama ne za mu nuna mu saboda alkama mu ita ma mu ba masu garakin mu karhi su san da alkama ma akwai abinci da dama da ake yi da ita to wani irin nama na rago na awaki na shanu wani irin ake aiki to shi dai muna aiki da na rago muna aiki da na shanu sadifan da kowa da naman da yake ci amma ba a yi da kifi ko da kaza kamar shi wannan abincin me bambanta shi da sauran abin da ya bambanta shi da sauran shi ne mu ba mu sa harakan mu cikin kamar abincin arum tun da yanzu mutane da yawa ba su son haraka arum maji shi ya samu muka zo za mu nuna yadda ake yin alkin na gargajiya yadda ake yin dafuwa ta gargajiya saboda yaran mu su ma su yi koyi da abin da uwayenmu suka nuna mana tun can da da fari shi ne ya samu ma muka zo yanzu mu koya ma yara saboda kuma masu restoran su ma su samu su rinka buɗe aikinsu suna yin aiki da gargajiya da za su samu baƙi ko mutanen gari su tambaye su yadda ake yin shi kenan in suka koye shi ba sai sun sha wahala Continuons avec les recettes. Ce matin, nous sommes avec notre collègue Zainabou Abdou. Bonjour Zainabou, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui Aujourd'hui, c'est la recette euh, du riz aux légumes et sauce tomate. Mais je vais la faire en germain. D'accord, on y va. Donc, euh, de kuna tomate foi. Ni mo nim karot ci chou De petit pois petit pois mo o kan ignira ignera habu le petit pois gani din mo kan cina hina wat kulu nimka nimin karoto dumbu dumbu na mate karo karo nimin chou dum dumbu ikain kena nimka nimi dan denchara nganda ni petit pois dini iganu nimi nyumu so dinni nyum ni mi gisi nim kan min kuso sambu din nin kuso da bene madan ji kaina din dan gi ma ni legu mai kan ni nyum gisi dini ni mi dan ni wana kusora ni mi hagu ti gummo no ni gi hagu wat ki hagu kain nim ka ni min mo haro kayandi din nin mo haro kayandi kala a zarga ka zarga min mo da. dinin mwadan ni ma dabu son ni kagihin gin foyo sintin foyo nim cheki tomate fresh dindu tomate fresh o nim seki na albasan ni wana din poivro ngai dina ah, ngai nini fifiri nim ka nimi duru nimi gisi nim kan hamu son dinaka ka kuso daga dan gi o cina ga wasinse din ni jiyo din dan kusora za dungu min hamo dan din albasan wo din tomati fresh o kan ni dumbu dumbu ni mi dabu im hagu hali ga hagu makandin ya zai din cire. to bore ngon kan igin waro maji bore mu ngon kan sun waro maji so din ni dabu nigi cingi feri nigi tunandi mafanda im hagu kalminti wacin cina. to albasa yangon kan igitar ga bu albasa yangon mu kan istar ga bu albasan kan ga tar ga bu da to min tu wacin gucina a ga saban dai abu ingan da tomato nim kan dai na yazo nim sayara din sayara nim dan har kaina am yage ga hagu gubori tonton mata bu da hagu minti gucina makande ni poivron wo din din wana tafarnuwa kan ni duru mi da ngara mi yaga tunan hala mu bori kan nan kan sai baka niman tomati kun da ngara ni dini foyo cirei a hagu hawo go tunu ci ne nimka nimin foy haru kayandi dinin foy haro mu da sa en fonction de hamo kan ni dannu zama ba ku bai kan hau ham astar gani ne ya dinga ni gidan harinu kan ga wasa hau hamu mu ne nga nimka gin moa guni lokacojin cini aga saban din moa ni min har tasu sun nim ka gin foyo gun din din nin foy haro dan dini da go zarga a go zarga a go zarga kala to nan kan cina ga ba ni foyo mutu da to no dini nin guni hamo nini albasa ngai bu bu yi cire a te ne ba min ciro da da wasa gara roma jinu min roma judan din sidan roma jimo min kiro sasaban di matkancina aga wasa matkaran gugan da si ni foyo ni manan ni ma jajabu kan ganin giyo fata di giyo fata ni foyo tenoya matkan iga rio legume nganda sos tomate te danoya habiba c'est mm tout pour la recette d'aujourd'hui ah j'ai déjà l'eau à la bouche rien qu'en imaginant ces plats Merci pour ta contribution. Bye bye. Bye bye à toi. C'était la rubrique recettes et astuces. Pour la culture linguistique d'aujourd'hui, nous recevons Asuman Ashina il est journaliste traducteur à langue Hausa, qui nous vient avec le mot jeune. Bonjour Asuman. Bonjour Habiba. Bonjour Kaya. Bonjour China. Voilà, comme euh, annoncé, le mot de jour aujourd'hui c'est jeune. En Hausa, ça s'appelle euh, Azumi. tumar da jama'a dai masu sauraron mu ku da sake kasancewa cikin wannan shiri na bayyana ma'anar kalma yau dai kamar kalmar da muka mai da hankali akan ta ita ce wato jean da faransanci da wasu kuma ana cewa azumi kamar da kuka sani a ran 11 ga watan mars da muke ciki al'ummar musulmi ta nijar da ma na sauran kasashe suka soma azumi wannan ranar ta zo daidai kuma da ranar farko ta watan ramadan a kalandar musulunci wanda Allah ya umarci musulmi su yi azumi tsawon duk wannan wata wato kwanaki 29 ko kuma kwanaki 30 azumi kuma na ɗaya daga cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar a cikin wata ramadan ne kuma allah ya sabakarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani mai tsarki to shi kuma ya azumi ya kumshi kame baki daga can abinci ko kuma shan wani abu tsawon ini tun lokacin sahur wato da asuba har zuwa lokacin sallar magariba kuma shi azumi yana tattare da gabatar da kyawawan ɗabi'u bana aikata sabo yin taimako yawata ibada kamar sallah da karatun mm-hmm. alkur'ani sakamakon haka dai kuma shine dai lada mai yawa ce allah ke tanadawa musulmi da suka gabatar da wannan ibada cikin wato watan ramadan mai alfarma Eh, écoutons le message d'auditeur. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. assalamu alaikum studio kalangu bore ay go garan fo ay go garan bani ha ay no madan yaga sigai ka ay go chota doktor kwarara na go ay wo rele no ay go studio kalangu hangan gum gum gum gum gumo ay go ga hangan na i emission ay ki go tese ko kana se zamir go du bon fere go tonton ir mo bankan ir dir ma bon fera ir ge go boy boray mu bon fere de bora kul al humma kul jinde dan go boray me amega im sobay ga ka ginga ne sai dini te yam buri wani wana chensei mu chensei bo mu zam chensei wo korai nu wodin sai na gogi studio kolon gubara me ame foi bani ai gogi kani bani ay gogi fu gum gum gum gumo ai goga iri kai na fo kan go zandar kan ga studio kolon gu hangan sojanu kan masalai sulai ai gogi tilberi adama abdullahi ay ga fondo go gungumo ngumo go tilberi studio kalangu hangan kono ay ga ir sage famo kan si gane hadiza ay ga fo birni na go nga bumbo studio kalangu hangan kono studio kalangu hangan koy me ame ay go gi fondo goi ay gi zinzinawa ay gogi ga sina i ton ton ga hanganiri studio kalangu se studio kalangu kana seno wallahi a gaibi na ra cimcimi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ne abdulmad allabi mai saye da sayar na abinci haka a bande eh ni ma abucin sauraron studio kalangu ne ta hanyar radio ikrawa a gaskiya mu abin da ya burge mu a wannan tafiya babu kamar da ba da ake ta mata sannan juha juha muna ji eh, yana burge mu wannan sha'anin na sosai sosai bayan nan kuma akwai magazin nasu da suke yi dan lokaci kaɗan muhimmancin wannan to shi ma yana ƙara samu ra'ayi mu saurari wannan studio da farko ina gaida murtala wanda yake nan bande da musha abda ali wanda yake karbala hulani ni ce halima sa'adu mazamniyan nan arlit su saƙon da zani isarwa a studio kalangu shine gaskiya emission inda suke kowane iri ne ma suna burge mu saboda suna kawo mana information kala-kala bisa kan mu sirtu ma bisa kan mata da kasuwanci haka abin yana burge mu sosai gaskiya mun san samu ne a ɗan ƙara lokaci balle ma ni da emission ɗin nan ta mata ta hi burge ni saboda emission ta mata da inda mata za a ce gaskiya ka inda suke ci gaba nan muke so mu muna son a ce mata Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, fidèles auditeurs, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. L'émission Le Niger sur Kalangou s'est terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez avec Habiba Ahmed et moi-même Rukai Top Drama. La technique était assurée par Mustafa Ayouba et à l'édition c'était Rahila Toussoumana. Excellente journée à vous.